affaire bi amul euh, amul dernière chance xeex bi dafay soog a tàmbali. lu mu jaral addu kalbe borom na ko jaral borom kalpe ba mu sàmm kalpe. nous a am combat. na xam ni bouger d'un yota na xam bu ñëwee dina ñëw bu ce sera un combat avec toute la société civile. Vous conviendrez avec moi que ce peuple au visage meurtri, ce peuple devant vous qui lutte depuis plus de dix ans pour sauver le peu de dignité que l'État du Sénégal le reconnaît, depuis plus de dix ans en effet, l'État du Sénégal travaille à le retirer tout droit sur les terres de leurs afin de servir les intérêts privés étrangers et autres conglomérats des ténèbres étatiques. Peuple de seconde zone, ce peuple mérite notre confraternité et je pense qu'il a le droit de pleurer, de crier son désarroi, le mépris dont il fait l'objet. C'est pourquoi nous nous sommes donné rendez-vous en ces lieux pour leur témoigner toute notre compassion. Ensemble pour la restauration de la dignité du citoyen sénégalais bafoué, libérer les terres de Dougar, c'est libérer les statuts du citoyen sénégalais. La prochaine étape sera la marche vers le site de Pickup Investissement.